Âgée de 27 ans, Noël Dede Saratou est une jeune réalisatrice nigérienne militante pour les droits de la femme. Passionnée de poésie et d'islam dès son jeune âge, Noël a pris goût à la réalisation audiovisuelle après avoir suivi une formation dans le domaine en 2019. Elle a à son actif trois courts-métrages. J'ai eu à réaliser deux films, fiction, court-métrage et un troisième film documentaire que vous aurez l'occasion de voir très bientôt. Ce dernier consiste à sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, principalement les violences faites sur les femmes. Et ça parle des violences faites aux femmes et aux enfants L'idée, c'est partant d'un projet personnel qui a pour objet de sensibiliser la conscience populaire face aux violences faites aux femmes et aux enfants autour d'un ensemble d'activités, à savoir une conférence et la projection de mon film dénommé Bruit du silence. Euh, ce que je voudrais passer comme message est que les gens prennent conscience euh, des conséquences de ces violences d'une autre part, Noël mène aussi une vie associative assez active depuis près de trois ans. Depuis 2020, aujourd'hui, euh, je fais partie des membres d'une très jeune association euh, d'enfants jeunes travailleurs à IJT. Je travaille en tant qu'animatrice. J'ai aussi suivi des formations sur des thèmes tels que la vie associative, la déperdition, la délinquance juvénile, les violences sexuelles sur les enfants, les mécanismes de gestion de plaintes, etc. etc. Au Niger, selon le ministère de la Promotion de la Femme, plus de 38% des femmes seraient victimes de violences basées sur le genre en 2021, rapporte un article de l'agence nigérienne de presse ANP. Un chiffre que des actions comme celles menées par Noël Dede Saratou pourraient contribuer à réduire.